waaw warahmatullahi taala wa barakaatu sëñ bi ñëw nañ fii fi sawet ngir andi liggéey bu mag bi nga xam ni lañ doon def ca Gabon te di ko defee ci sa ndigal sëñ Fallou Bousso dooroon ko foofa muy topp jaar-jaari sëñ Touba barab yi mu ci Gabon Fen fu ci ne ñu def fa mandarga moo xam dina wane ni fii sëñ bi ne woon na fi la jiitu ci mandarga mooy ma yomba bam doon sampi bantam ñu di ko simpi sànni indi woon nañ fii jumaay ñeenti sooroor joo xam ne woon la ko joo xam moom lañ ko bëgg fa sampal bëgg nañu nag noonu ñu ko nar a defee yomba muy làmbar na muy njolee muy foo xam sañ bi ne woon na fa ñu war ko faa def délégation bii fi ñëw nag ministre Adja Ndoo mi jiite leen ak délégation évêque bii nga xam ne ànd na ak moom ak maire yomba ñoom ñëpp dañoo ànd ak ñun foofa ca Gabon di ñu jàppale ci liggéey bi ba tey jii ñu jàpp dañoo war a ñëw agsi fii ci yow jottali ko wane ànd gañ ànd ak ñun waajal nañ nag ci ndigalul njiitu réew ma ak ministre affaires étrangères sa doom yooyu ñëwoon nuyu si la fii wane ni moo ñuy taxaw ci liggéey bi ni suuf yi nga xam ne moom lañ leen doon laaj danañ ñu ko jàpp ndalal ba fenn fu ci nekk lañ fa bëgg def ci turu sëñ bi ñu mën ko faa def loolu nag li tax mu mën a am ba agsi fii seexale woon nañu maa yomba lambar na ak Touba gi maire bi jógoon dem fa waaye ci njiitu sëñ Koso Mbàkke mii na nga xam ne moom nga ñu booleeloon mook sëñ Xaadim ci liggéey boobu ñu amale ko ba mu agsi fii tey ñu ngi lay sant baax tey ñaan loolee nag ni ñu yéene bëgg caa dem ci fukki fan ak ak ñeent ci weeru juillet wi ñu jëm ba ñaar fan ak benn ak ñin ko àndal ñëpp buñ demee ñu mën a teg ay xeer tam sutti te lépp it yàlla ko fekkee fii ci ak weer ñu andil la loolee fa sam waaju sa sa maam ji liggéey muy Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul foofee la ñu bëgg lépp loo xam ne xañoon nañ ko fa te tey jii ñii ñoom nga xam ñoo jiite réew ma taxaw ngir delloo ko loolee ndam ye yëpp ñëw fekk si la fii Mbàkke kon daal xam naa dañuy wax ndegem gan ñi ñoom dégguñu ci lakk wi ma wax ñu jox sëñ Dame Mbaye mi mu jot li leen kàddu yu ñu wax ngir ñoom ñu mën cee jot bu baax asalaamaaleykum. Siffon waaw waaw damay répéter rek ni ministre bi mi ngi tudd Pascal Siffon maanaam mu doon mu doon natif de Libreville. maanaam doon koo xam ne wax dëgg yàlla mbokk la ci ñun ak ñëpp maire maire Mayumba bii nga xam ñëw na ànd ci tamit sëtub Samori Touré la maanaam Samori moo jur ki jur waajuram bu jigéen. mu moom moo ñëw tey jii teew si fii ci jataay bi ministre de tourisme du Sénégal it accompagné ak li mu am ci ay directeur ñoom ñi ngi ñëw toog fii ak directeur de cabinet am soxna si ñu doon nuyoole tamit muy soxna musli moomu tamit liggéey bi ñuy def muy karawaanu maay ba moom moo ko yor foofa di ko doxal ci ci wet yëpp ba ñee ñëw mu di leen jàppandil dikk ga ak dem ga ak yëpp ñoo ñëppi nag ak réewum Gabon ca njiitul président de la république ba nga xam ne moo yor réew mi euh, ñi ngi ñaan ci ñoom ñëpp seen tur ak premier ministre ba ak ministre étranger bi ñu jàppale La présence de Cheikh Amadou Bamba à Mayumba au Gabon et ici à Touba et nous comme ceux qui avaient accueilli Cheikh Amadou Bamba, nous vous donnons aussi d'implorer la grâce divine pour que le pèlerinage se passe très bien, que les bénédictions tombent et sur la communauté de Mauride, sur le Sénégal, sur le Gabon, tous ses habitants et sur l'Afrique entière et sur toutes les parties du monde qui souffrent. Ah. Mmh. Euh,

dit qu'il mesure à sa juste dimension euh, l'importance de votre délégation et cela également lui donne des, souvenirs très importants, euh, certainement par rapport au sujet de son grand-père au Gabon. Euh, Il dit que vous avez fait un acte de bien consistant à vous déplacer depuis le Gabon jusqu'au Sénégal et cela montre l'importance que vous accordez à Cheikh Ahmadou mais également à son œuvre, à sa mission importante dont la plus grande partie a été passée et réalisée sur la terre du Gabon. Eh, eh, il dit que votre déplacement ici est un motif supplémentaire une exhortation si on peut dire pour nous permettre de mieux comprendre et de saisir l'importance de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba, mais également de raffermir ce lien indéfectible qui lie le Gabon à Touba. Et également toute l'importance et la considération que vous accordez à Cheikh Ahmadou Bamba qui a eu à séjourner sur cette terre du Gabon il dit qu'il vous remercie infiniment pour ces pas qui vous ont guidé du Gabon au Sénégal toute la distance que vous avez parcourue et il reste toujours déterminé engagé à préserver ces liens de fraternité qui euh, lie le Gabon à Touba il dit également qu'il est toujours disposé à maintenir cette flamme qui lie les deux pays, le Gabon et Touba car ici au niveau de la ville de Touba, le Gabon jouit euh, d'une importance particulière. Au même titre qu'au niveau du Gabon, il y a une considération spéciale pour la ville de Touba et il est toujours disposé à raffermir ses liens et unir les deux groupes il dit qu'il apprécie à sa juste dimension les efforts consentis et surtout euh, les efforts que vous avez accomplir depuis le Gabon pour venir jusqu'au Sénégal. Donc au-delà de ces remerciements pour le peuple gabonais et les autorités gouvernementales, il a une, euh, des remerciements particuliers qui sont destinés aux membres de la délégation qui ont eu la chance de faire le déplacement jusqu'à Touba. il dit également qu'il remercie les autorités gouvernementales qui vous ont facilité cette euh, relation et cette coopération. Et il dit qu'il réitère ses, ses prières différentes et demande au Seigneur d'accorder la paix, la prospérité au peuple gabonais et à tous ses habitants. Il dit également qu'il se réjouit euh, de votre euh, délégation, mais particulièrement de la présence euh, de l'évêque de Moya qui dirige cette délégation religieuse et il dit également qu'il lui adresse ses félicitations et s'est dit très honoré de voir sa présence parmi la délégation gabonaise. Il dit merci beaucoup encore et vous remercie d'avoir fait le déplacement. Euh, monsieur le calife général, euh, mesdames, messieurs, c'est un honneur pour nous d'être euh, reçus par vous. Sachant très bien que en de telles périodes, vous vous reposez et vous, allez, avez, et vous avez bien voulu faire une entorse à votre programme pour nous recevoir. sachez que c'est un honneur pour nous. de votre délégation. Je vous transmets également euh, les salutations chaleureuses du président de la transition, le général Brice Oligingema, qui me charge de vous transmettre un message concernant euh, la, la, construction euh, de la mosquée comme prévu par les textes de Chamilou Bamba au Gabon à Mayumba. Hein? Par la même occasion, le gouvernement gabonais, cette année, euh, se propose d'encadrer la caravane touristique religieuse euh, des, Mourides au Gabon. Euh, nous allons mettre à disposition quelques bus et assurer le carburant pour le transport Libreville-Mayumba. Je vous présente également la délégation qui m'accompagne, au premier rang desquels l'évêque Madega, qui est le responsable de Mayumba, euh, qui a bien voulu nous accompagner parce que l'Église catholique est propriétaire du terrain, vous le savez, dans lequel Sharamidou Bamba a vécu 7 ans, 7 mois et 7 jours. <laughs> Avec moi également le maire de Mayumba, à ma gauche, qui a bien voulu nous accompagner pour, pour, montrer bien sûr l'importance euh, de cette mission. Permettez-moi, Monsieur le Calife Général, de vous remettre les présences symboliques qui nous accompagne. C'est un tableau. C'est un tableau. Un livre de Mayumba. Ce tableau. Ce, ce tableau, au centre, vous, vous avez la carte du Gabon. Euh, fabriquée à l'aide d'une pierre euh, la plus précieuse du Gabon, qu'on appelle la pierre de Mbigo. De Mbigo. À côté de ce tableau, mm, le maire de Mayumba va vous remettre les clés de la ville de Mayumba. Nous savons que, nous savons que les pèlerins viendront à Mayumba. Voilà.